mi ngi Dagana nee fii fii amul 2000 xale yi ñoo indi seen bopp engagement ak détermination la ñu Dagana commune Dagana Dagana bu Walumbo Dagana bu Data Dagana jeunesse baa ngi noonu.

Proses projet Dagana ngi noonu Dagana ngi noonu Waalo dikk na ci projet bi xale Dagana yaa ngi exceptionnel accueil Dagana, la capitale du Wallo. Dagana, la marée humaine qui accueille le président Ousmane Sonko. Nous un engagement détermination. À minuit passé, nous avons Didaou, même nous une terrain de foot. Engagement, détermination avec volonté. La révolution patriotique du Sénégal à sa tête. Le président Ousmane Sonko. Dagana ngi noonu Dagana ngi noonu président Sonko Mingi nanu, mingi nanu. Dagana, Dagana, la capitale du Wallo, Dagana, la terre de refus, Dagana, Bounatayala, Dagana, vous président, Ousmane, Sonko, exceptionnel accueil, de Dagana, de mémoire d'homme, jamais, jamais, Mastam, Dagana, Nikojele, Tchabib Cham, Badji, Omar Nek leader politique musulman am Boumelnia Dagana de 96 à maintenant Dagana déroule aujourd'hui le tapis rouge pour le président Ousmane Sonko. Exceptionnel accueil, exceptionnel accueil de la jeunesse daganoise. Dagana ngi noonu nee naa la Dagana mooy capitale du Waalo nee la Dagana mooy bu ndate yàlla Dagana mooy terre de refus Dagana c'est terre des braques du Waalo tey jii le président Ousmane Sonko l'héritier de la résistance sénégalaise l'héritier de la liberté africaine le président Ousmane Sonko moom la ndawu Dagana jël si ci buntu Dagana fële ca Bokhol ànd ak ba ci Dagana tey Dagana na door il est minuit passé lii masam lii masam plusieurs générations d'hommes politiques ont été ici à Dagana waaye ku ni président Ousmane Sonko mom dong mom kott mom kese moo fi am cet accueil là au-delà de minuit xam walo, waalo xam ni waalo waalo bañkat la ku xam waalo waalo xam ni waalo fierté la mi ngi xalé ya ngi jël sen fierté en bandoulière engagement détermination dénk ko président Ousmane Sonko mi ngi le Wallon est dans le projet le Wallon entre triomphalement dans le projet Le Wallon ne peut pas rester La jeunesse daganoise donne le ton. te xam naa ne noonu lay demee ca Sénégal ca Ronkh ca Rosso Béthio commande exceptionnel Dagana ngi noonu mi ngi noonu réew mi Sonko Minginonou, président Ousmane Sonko Minginonou Sonko moi que Mom Réumi, exceptionnel accueil Dagana Dagana inscrit son nom dans ce livre d'or de la révolution patriotique Minginonou Minginonou, le président Ousmane Sonko Minginonou Dagana Minginonou Geneswalo Walo. jeunesse président Ousmane Sonko <laughs> la caravane de la victoire, la caravane de la révolution patriotique. Président Ousmane Sonko. Minginonou, maintenant on a fait pratiquement une heure de caravane ici à Dagana. Minginonou le temps que logistique dit « mettre en place topp Ngoné Sarr Joor laay topp Gana ngi noonu près d'une heure de caravane biir Dagana bëggee benn bu ne nga dugg fa dina a jafe te ñoom bi ñun dañoo ñëw pour renforcer simplement nga xam ne mooy campagne locale bi waaye mënoon nañ ne kenn ku nekk ci département dafa def liggéey bi mu war a def xam nañ ne nag lépp xër la waaye su dul dara sax gis ngeen sécurité bi ñu àndal. fajar ba léegi ñu ngay daw ñu ngay dox lekk ñu naan ñu te nañu état bi Richard Toll dese nañu état bi Ross Béthio ñu war dem fanaani ji à Saint-Louis kon suñu duggee Dagana symboliquement li am solo mooy nañu Dagana pour ñëw jàppale si suñu candidat nekk Dagana mois ci gannaaw ñëwoon man maa fi président de l' maa ñëwoon campagne si Dagana ngeen imposé ma la même chose dugal ma ci dëkk bi ñu dawa dawa daw ba ñëw fii ci kanam rek je crois à dañu defoon waxtaan bi ngeen jëloon nag benn engagement engagement mooy woon lan mooy cette fois-ci Dagana en tant Waalo Le engagement présidentielle 2024 mois de mars Dagana en tant que capitale du Wallon du changement Sénégal département yi nga xam ne gañe nañ ko léegi nag léegi noppi te ci kanam la jëm mu des nag léegi est-ce que waalo ni ñu yàgg ci waalo wéy bi ñu yàgg a wéyal waalo lu dëkku principe la dëkku bañkat la dëkku xeexkat la

est-ce que pare quand quand loolu kon kon dañu ñu dem Les carte d'électeur yi li des Les fan yi dañu dem carte continuer campagne maison après maison quartier après quartier village après village ngeen jox du majorité bi te majorité bi moom majorité bi moom ala kulli xaal dinañ ko am incha allah majorité bi gannaaw yàlla kenn mënu ñoo tere ñu am ko gis ngeen li xew ci Sénégal yëpp li ci des mooy est-ce que Dagana dina bokk ci ñoom porte majorité

dëgg rek mi ngi noonu Dagana nee na fii fii

walo wio projet daga nangi nonu daga nangi noonu walo dikk na ci projet bi Ale Dagana yang ngi noonu exceptionnel accueil ici à Dagana Dagana la capitale du wallo Dagana, la marée humaine qui accueille le président Ousmane Sonko. Dagana, un engagement détermination à minuit passé nous avons di daw terrain de engagement détermination avec volonté la révolution patriotique du Sénégal à sa tête le président Ousmane Sonko Dagana ngi President Usman Sonko. Mingi nanu, mingi nanu, dagana. Dagana, la capitale du Wallo. Dagana, la terre de refus. Dagana, Bounateyala. Dagana, vous président Ousmane Sonko. Exceptionnel accueil. Li Mastam Dagana. De mémoire d'homme, jamais, jamais. Mastam Dagana. Li ko Tchabib, Tcham. Omar Sarr Fineka leader politique musulman Lamakai Boumel Nia Dagana de 96 à maintenant Dagana déroule aujourd'hui le tapis rouge pour le président Ousmane Sonko. Exceptionnel accueil exceptionnel accueil de la jeunesse daganoise Dagana Ninonou, noonu Dagana Moué, capitale du Walo, Nenale, Dagana moi Bunda Dagana moi terre de refus Dagana c'est la terre des braques du Walo, tey le président Ousmane Sonko l'héritier de la résistance sénégalaise l'héritier de la liberté africaine le président Ousmane Sonko mom la Dagana Dagana fële ca Bokhol ànd ak Dagana Dagana na il est minuit passé L'imassam, ma li plusieurs générations d'hommes politiques ont été ici à Dagana Voyez, comme président Ousmane Sonko Mam dong mon Kot, mom Kase, Mam fi cet accueil là au-delà de minuit pour xam walo, waalo walo walo waalo la ku xam nidou ni waalo fierté la en bandoulière engagement et détermination denguko, président Ousmane Sonko mi le wallon dans le projet. Le Wano entre triomphalement dans le projet. Le Wano ne peut pas rester en reste. La jeunesse daganoise donne le ton. De Khamnani, non, non, Richard Toll Rosa Sénégal tchè Rox tchè Rosa exceptionnel exceptionnel Dagana non, nous. Minginonou Reumi, Sonko mooy ki Minginonou, président Ousmane Sonko Minginonou Sonko exceptionnel accueil Dagana Dagana inscrit son nom dans ce livre d'or de la révolution patriotique Minginonou, Minginonou, le président Ousmane Sonko Minginonou Dagana Minginonou jeunesse président Ousmane Sonko <laughs> la caravane de la victoire la caravane de la révolution patriotique président Ousmane Sonko mi maintenant on a fait pratiquement une heure de caravane ici à Dagana Minginonu, le temps que logistique bi mettre en place naa ngi noonu près d'une heure de caravane biir Dagana